leen di jaa d'abord di excuser wu si taxawaay bu yag bi ngeen taxaw liko waral mom moy que ne yag nañ trop ci bir depuis 20h euh, ñi ngi fi. pour euh, discuter avec euh, autorité yi ñu recevoir woon démb muy ministre de l'intérieur ak ministre de la culture accompagné ak ministre de la culture accompagné avec le ministre conseiller Youssou euh, qui est également artiste et mom mom mën nañu ko wowe facilitateur bi

cas yu doublé cas grave yokku ba mu am ay décès donc loolu tamit euh, euh, dafa nek ben mbir mo xam ni que ne dafa xaw doy war tuuti ci réew mi mu nek ben deuxième vague bo xam ne dañ ko constater te mënuñu exposer trop euh, nu mu tuddati population yi donc ñu wax ñu ne que ne ñu def ben compromis boo xam ni que ne au jour le jour ñu trouve ñu suivre situation bi bu amee tendance baissière automatiquement ils vont nous ils vont nous autoriser à travailler donc ñun aussi demander nañ ne que ne dafa am ñoo xam ne ne que ne dañu ci suñu gannaaw yakkar aussi ci négociation yi nga xamné ne que né mom lañ doon mené li euh, président Daniel wax euh, par rapport ak arrêté bi euh, arrêté bi demb bi ñu ñu signifier, ne ni que déjà deux points mu moy que ne dañ ko déposé buñ koy déposé 72 heures yi matul té ñun dañu comptabiliser won jour de dépôt bi ak jouru marche bi ak ak l'interdiction de rassemblement légui ñun dañ nek ne euh, CAM bi dafa nek ne euh, euh, la demande d'autorisation pour le sitting dañ koy redéposer suba su sobé suñu borom comme ça nga xamné ne que comme ñun doo on est des légalistes dinoon dinañ respecter les délais de 72 heures pour mëna def suñu marche bi suñu euh, pardon sitting bi le mercredi 23 décembre donc euh, tout le monde est désolé nous on a été vraiment douche froide par rapport à ça mais comme euh, aussi maladie bi fi on dit que dès lors que y a une fenêtre qui est ouverte de et de discussion par rapport à tous les jours que Dieu fait ils nous ont promis que nous suivre situation dès que mu ils peuvent nous permettre de travailler donc que que nous retenir nous wax artistes que toujours la CAM est mobilisée et toutes les personnes qui sont derrière nous nous mobilisons pour suivre la situation pour que ces droits bi nga que droit au travail nous fassions tout pour nous aider. donc euh, donc donc euh, voilà donc on demande à tout le monde par rapport au sitting que le sitting soit renvoyé la semaine prochaine pour juste régler le problème de délai de 72 heures demain inshallah, de déposer au niveau de la préfecture le sitting et on sera dès demain matin euh, aussi euh, dans le dans le euh, suivi par rapport à l'évolution au maladie pour que fexe le plus rapidement possible que les que que nous à artistes on a également parlé de la compensation c'est-à-dire que aujourd'hui on a euh, euh, on s'est dit que bu fekkee ne euh, ñun dañu dañu dañu arrêter, ñu ñu liguer.

artiste. nous nous, nous, un peu plus patients. Nous ñu may ñu euh, euh, semaine prochaine pour nous nous a déjà euh, rassemblement nous ñu gën dans dans la légalité et et mën ko faire le mercredi inshallah 23 décembre nous ngi un peu di relancer encore un message par rapport à ak loolu ak ak sitting pour nous préparer par rapport à ça parce que nous que toute la communauté artistique dañu dañu Euh, euh, euh, mobiliser woon pour suba Donc, nous pouvons mobiliser, même les artistes qui sont dans les régions, nous au Dakar. Il s'est dit au, moment, au même moment que euh, Dakar dit di def sitting, nous avons fait def région Donc nous avons dit que le euh, euh, sitting bi dañ reporter pour juste déposer euh, une demande en bonne et due forme pour respecter les 72 heures et voilà faire notre sitting et veiller à ce que le compromis qui a été dégagé aujourd'hui, nous veiller à ce que l'affaire soit rapidement di ñaan suñu borom affaire bi euh, maladie bi xaw a wàcc pour que ñu mën a delluwaat ci sunu ay activités ñoo ngi leen di gërëm di leen sant